Euh, monsieur le ministre euh, de l'intérieur euh, Bindunalen naa leen diggante ak fukki ministre de l'intérieur mais les hommes passent les institutions demeurent ci Bindu yooyu le 22 août pour wax le ci Payoru ASP yi tardé 22 août boobu Payoru ou juillet yu ASP da ngeen ko fay le 21 août facture courant du xaar facture ndox du xaar louas du xaar le 21 août fexé len bu amati ASP yi nous jot sen payor waxtu bi mu monsieur le ministre bind également le 5 mai bobu nek go ministre euh, plutôt de l'intérieur bind le 5 mai 2023 pour naxarlu Juron ben wèr arriéré de prime yi ngeen amel policier GMI yu Kolda te tollu plus de 100 GMI a un ben ñaar ñett juroom ben prime du deug du yoon ñun suñuy prime du tardé prime donc prime policier GMI yi bu mu monsieur le ministre dégg na y yenn policier yo xamné ben tenue am ci at bi ben plus de dal ben tenue ak liggéey bi lay bi plus di jox ñu ñuy Sénégal ben dal plus toute l'année est-ce que nous allons améliorer ces conditions monsieur le ministre dama le 20 février la même lettre me le 14 avril le mois de euh, mois d'octobre le ñetti wër tontu wu tontu quand même le 11 le 24 octobre Je passé Manam dama ñetti 11 chefs de division yi nek ASP. 11 chefs de division chef de division même grade même tout 400 nañ len 400 francs gën sa néw mané lu waral xajj sur les discriminations salariales à l'agence de la sécurité de proximité je rappelle qu'aucune discrimination salariale n'y est constatée or monsieur le ministre j'ai un recours administratif adressé au président du conseil de surveillance de l'ASP dont les neuf membres ont copie j'ai le PV de rencontre entre les 11 chefs de division lésés avec le DG de l'agence. J'ai un document portant proposition des chefs de division lésés adressé au DG pour une résolution à l'amiable. Nous bougeons les yeux dans les yeux, nous avons discrimination salariale. Maintenant, le 24 heures. Soit le soit may wax maintenant 24 heures dans deux jours, je publie tous les éléments qui montrent que vous n'avez pas dit la vérité. Voilà pourquoi nous n'avons aucune confiance au ministre de l'Intérieur pour organiser la prochaine élection présidentielle. Euh,